quotidien d'aujourd'hui, 22 7 juin 2024. Thème Jésus, le faiseur de miracles. Jésus, le faiseur de miracles. Thèse de lecture Marc chapitre Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, nous à partir du verset 34 à 37. Marc chapitre 7 nous avons partir du verset 34 à 37. Elle lui dit, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, fafata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Mais tous les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Je leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur dit il le recommandant, plus ils le publièrent. Mais plus il le recommandant, plus ils le publièrent. Il était dans le plus grand étonnement et disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et à parlé les muets. Gloire à Dieu. Le verset clé dans ce texte ici, c'est le verset 37 qui dit, il était dans le plus grand étonnement et disait, Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les miens Amen. Le thème c'est quoi Jésus, le faiseur de miracles. Amen. Lors d'une croisade organisée par l'Église de la vie profonde en 1985 au Stade national de Lagos, un, un garçon sans eau à l'une des jambes a été amendée au programme par sa mère et a, été amenée au programme par sa mère et a été miraculeusement guéri par la prière au nom de Jésus-Christ. C'est un miracle de création qui a apporté de la joie à la mère et à tous ceux qui en ont entendu parler. Le pasteur d'aujourd'hui met l'emphase sur la puissance surnaturelle du Christ, sur toutes les maladies et les mauvais esprits. Cela montre également la préoccupation inébranlable pour les opportunités, vieux ou jeunes. La méthode utilisée par le Christ pour guérir le garçon montre qu'il pouvait adopter n'importe quelle méthode qu'il choisirait pour accomplir sa mission divine. Dans ce cas, il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Une autre fois, alors que Jésus guérissait le, garçon épileptique qu'on lui avait amené, lui avait amené, il se contenta de reprimander ce diable et celui-ci sortit du garçon. Les croyants doivent apprendre à attendre le Seigneur sur l'approbation appropriée pour trouver des solutions face aux défis de la vie. Il est instructif d'observer que le Christ lever les yeux vers le ciel, ayant, avant de s'occuper du garçon, nous devons toujours compter sur Dieu pour la grâce et la puissance qui ne peut venir que d'en haut. Au verset 36 de notre texte d'aujourd'hui, il dit, Jésus leur a demandé de n'en parler à personne, mais ils l'ont fait et ont publié la nouvelle du miracle par enthousiasme. Nous considérons à nouveau Jésus comme notre modèle parfait. Aucune exaltation de soi n'est entendue de la part des fidèles disciples de Jésus. Il ne devait pas non plus y avoir de marchandage du don de Dieu. Jésus a enseigné, comme l'a vu nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, que quoi Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Dieu est toujours en train d'accomplir des miracles et de, montrer sa puissance à l'humanité à travers des signes et des prodiges. Les malades continuent d'être guéris des portes et même des portes d'opportunités continuent de s'ouvrir. Les cœurs endurcis fondent encore aujourd'hui par la prière des croyants. Avez-vous une maladie qui a défié toutes les solutions médicales naturelles Êtes-vous confronté à des difficultés Êtes-vous confronté à la faim, à la famine, au chômage ou à toute autre crise Apportez-les au Seigneur. Dans la prière, il fait tout merveille. Il fait tout à merveille. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. La Bible en un an. premier connu chapitre 25 jusqu'au chapitre 29. 1 connu chapitre 25 jusqu'au chapitre 29. Gloire à Dieu.